ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana musulmi da suke wannan masallaci da wanda suke ganin mu a nesa barkanmu da wannan lokaci barkamu da kasancewa a wannan masallaci mai suna masjidul huda a wannan gari na duwala a ƙasar kamaru wannan masallaci ne mai tarihin gaske a wannan gari na duwala kuma alhamdulillah ana gabatar da abubuwa na addini da karantar da mutane a cikinsa yau ga mun kawo ziyara insha Allah ta'ala don saboda gudanar da da'awa da karantar da mutane addini a bandirayen fulbe julbe yimbe duwala nder masjid alhuda midon silmina on assalamu alaikum ورحمة الله min gari غريدو daga Nigeria mi wari o en gari masjidul huda en gada wa'azu qala allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yidi mi bolmo fulfulde mi wada wa'azu am e fulfulde amma fulfulde am kam sedda sedda on um famata to mi wolwi fulfulde fulfulde gombe fulfulde adamawa mi anda on don fama fulfulde gombe ko bo adamawa wallahi min kam mi anda amma on don fama ko to alhamdulillah min ma mi mo don fullo na fullo kosam min kam mi kosam ma baba am fullo mama amma fullo en fuu kaka amma fullo en fuu meɗen en fulɓe mi noddi sobajo am ɗaɓiɗɗalibijo am mo wara inchallah to mi wolwi hawsa woodi yimɓe e duniya en ɗon nana en to mi wolwi fulfulɗe ɓe nananta ɓe famata to joni mi welway hawsare to mi timmini seɗɗa seɗɗa bandirawo am mo waɗay tarjama to bo إبو مولو mo yi'i bo كم ولا بأسا من كم wala ba asa min kam mi walwi sey mo waɗatar a toutes les louanges appartiennent à Allah maître de l'univers Paix et bénédiction d'Allah sur le noble des messagers, Mohammed Salawatullahi Rabbi alayhi, fidèle musulman, Majesté, votre honneur, nous sommes venus aujourd'hui dans cette mosquée, comme euh, le professeur l'a si bien dit, pour une visite, une visite de fraternité, une visite de transmission du message de l'islam, ce que Dieu a dit et son messager a dit. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter le professeur Abdallah Oumar, plus connu sous le surnom de Gadonkaya. Gadonkaya en Naoussa, ça veut dire que le lit des épines, je crois. Et peut-être c'est le nom de leur quartier ou bien c'est un surnom parce que il est euh, une tradition au Nigeria, on repère quelqu'un par son lieu ou son origine. Comme vous allez voir les autres enseignants, Ridian Lemou et consorts. Ridian Lemou, en fait, ça veut dire que le puits de l'orange. Et c'est une expression qui ne se dit pas en Naoussa, mais c'est devenu comme un surnom, comme lui-même Gadonkaya. C'est pour ça qu'il est professeur, il a deux agrégations. Il est professeur agrégé en sciences de mondaine, parce que c'est un enseignant à l'université au Nigeria. Et il a l'agrégation dans le domaine islamique, dans la science islamique. Et c'est une sommité. Quand on parle de sommité en Afrique, au Nigeria, fidèle musulman, Prenons avec euh, tout toute son ampleur sa présence parce que rendez-vous compte que le Nigeria a plus de 250 millions d'habitants. Ils sont environ 300 millions. Si une personne est célèbre auprès de 300 millions d'habitants, qu'en est-il de nous qui sommes combien 10% de ça, de 30 millions environ. Donc c'est une sommité. Et profitons de cette occasion pour prendre les enseignements qu'il va nous donner et je veux faire l'effort au maximum de traduire à la lettre comme il se doit ce qu'il va nous enseigner ici. Et il a fait la précision parce que je lui ai dit que Sa Majesté, déjà l'autre jour, ils se sont rencontrés, il sait qu'il est Peul et il sait qu'il y a la, les Peul ici, mais il se réclame Peul, il ne le cache pas. Mais aujourd'hui, la langue a eu le dessus, comme vous savez, au Nigeria, surtout à Kano, ou même le Lamida qui est un Lamida Peul c'est la langue Aoussa qui est utilisée. Il est des pères, des mères, de tout. Et il a parcouru le monde parce que après ses études au Nigeria, il a fait des études au, euh, en Arabie Saoudite, ainsi de suite au Soudan et en Égypte. Et il a parcouru le monde. Donc, nous remercions Allah et nous lui disons marhaban bienvenue. Bayan gabatarwa abinda zan tattauna akai a takaice shine zamu yi magana akan hadari na zunubi da laifi a rayuwar dan adam yan uwana musulmi a matsayinmu na musulmi dole ne mu kiyaye dokan Allah don mu zauna lafiya duk wanda ya ba Allah zai zauna lafiya wanda ya saba wa Allah ya bi son zuciyarsa ya bi ra'ayinsa to zai ga abin da yake bai da daɗi le thème de ce soir porte sur le péché et la faute qu'on peut commettre vis-à-vis de notre Seigneur. Allah nous a créés et la chose que Allah déteste pour nous, c'est le péché. Commettre une faute, quand vous commettez un péché, c'est grave auprès d'Allah Et ce sera le thème de ce soir concernant le péché, parce que Allah déteste cela. Et lorsqu'on se retrouve qu'on est musulman, on est appelé à respecter les prescriptions d'Allah. Asalim bala'i, Asalim masifa, Asalim sharri a duniya shine Allah. A duk duniya gaba ɗaya babu wani ciwo ko wani cuta kama dan adam ya illa ara et la grande calamité la maladie qu'on peut dire aussi grave si on peut parler en termes de maladie c'est le péché le péché est aussi grave qu'une calamité, le péché est aussi grave qu'une épidémie. Pourquoi Parce que le péché détruit. Il n'y a pas une maladie qui détruit l'être humain comme le péché. Le péché détruit les maisons, le péché détruit des habitations, le péché détruit des cités. Et il y a des peuples antérieurs qui sont passés avant nous qui ont été détruits à cause du péché. adam adam salatu asalinsa a gidan aljanna yake zaune amma abin mamaki sabon Allah ne ya sa ya fito daga gidan aljanna ya sauko ƙasa Allah ya sauko da shi a matsayinsa na annabi ya dawo da shi ƙasa saboda shedan ya ruɗe shi ya saba wa Allah daga nan ne malamai suke cewa ashe duk ni'imar da mutum yake ciki idan yana sabon Allah Allah yana kwace wannan ni'ima ya raba shi da wannan ni'ima sai ya sa shi a cikin azaba saboda wa Allah da yi Allah ya bada labari a cikin alkur'ani fa waswasa ilaihi shaytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shaydan yazo yayi wa annabi adam waswasi ya sa masa a cikin zuciya yake ce masa shin ya kai adam baka so in nuna maka wato wata bishiya wanda idan ka ci wannan bishiya za ka dawwama a cikin wannan jin daɗi kuma za ka samu mulki wanda baya tsufa annabi adam sai ya biye shaidan ya je ya ci wannan bishiya da allah ya ce kada ya ci fa akala minha fa badat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil janna ya je ya ci wannan bishiya da ya ci wannan bishiya kawai sai Le premier fait historique, c'est ce qui nous concerne, les fils d'Adam. Parce que nous sommes tous issus d'Adam. Et notre père Adam, lorsque Allah subhanahu l'a créé, il ne l'a pas envoyé dans le bas monde. Il l'a envoyé dans le paradis. Adam vivait avec son épouse dans le paradis. Mais voyez-vous, à cause du péché, il s'est retrouvé sur la terre, en train d'errer, en train de souffrir. Et c'est pour ça que les oulémas disent que lorsque vous commettez le péché, Allah vous retire tous les bienfaits. Et à l'exemple d'Adam, lorsque Shaitan, le diable, est venu à lui, il lui a dit est-ce qu'il a fait des suggestions Et on l'appelle ça suggestion diabolique. Il a dit, Adam, puis-je te montrer l'arbre de l'éternité Si tu manges du fruit de cet arbre-là, tu vas être éternel sur terre. Tu ne vas pas mourir. Alors, Shaitan, quand il a mis ses suppositions à la tête d'Adam, Adam a essayé et il, a, mangea du fruit de l'arbre. Et qu'est-ce qui s'est avéré Adam a perdu tout ce qu'il avait comme vêtements et sa nudité s'est apparue à lui. Et là, il s'est retrouvé humilié parce qu'il a commis le péché. bayan annabi adam misali na biyu akwai halittar adawa akwai halittar adawa adawa wata halitta ne da Allah halice su manya-manya masu girman jiki masu kaurin jiki masu ji da ƙarfi da dukiya da arziki amma da suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya jarrabe su da iska su waɗannan da iska Allah ya halakar da su mutanen annabi ne mutanen annabi hud wa ila adin akahum huda zuwa ga adawa Allah ya turo musu dan uwansu annabi Hud da suka saba wa Allah sai Allah ya halakar da su da iska ya koro iska ta zo duk ta kashe su ga baki daya ka annahum ajazu nakhlin khawiya ta zubar da su ta halakar da su Allah ya ci gaba da al'amuransa dan me aka halakar da mutanen annabi Hud adawa saboda laifi da zunubi da sabon Allah alors pour que nous ayons la crainte d'Allah et sachant que lorsque nous commettons les péchés il faut penser à ce qu'il y a un grand créateur qui existe et il est capable de te détruire comme il a détruit les ades. Les ades c'était il y a dans la légende ce qu'on appelle Gargantura. C'était un monsieur tellement grand et monstrueux. Les Hades étaient tellement grands, costauds, que quand ils ont commis le péché, ils ne pensaient pas qu'un seul vent allait venir les détruire. Et lorsqu'Allah envoya le vent contre eux, ils furent détruits complètement. Ça n'a rien changé dans sa royauté. Ainsi que toi, lorsque tu commets le péché, pense qu'il y a un créateur il y a ceux qui, t'ont précédé, et parmi lesquels les Zad. Et c'est pour ça que à chaque fois, qu'il nous parle, il dit Rappelez-vous des Zad, de peuple de. Euh, euh, comment il s'appelle hout Et maintenant, il va nous parler des autres qui ont suivi les Samoud. adawa Allah Allah Allah to akwai kuma mutanen annabi salihu su ne ake ce da su samudawa Allah ya ce wa ila samuda akhahum saliha e zuwa ga samudawa mun aiko musu dan uwansu salihu duka annabawan nan gaba daya suna musu fada ne suna jan kunnen su kada su saba wa dokar Allah kada su ce su ba za su bi abin da Allah ya ainihin wato umarce su da aikata ba amma abin mamaki waɗannan su ma suka ƙaryata annabinsu mutanen annabi salihu suka karyata manzansu Allah ya jarrabe su ya halakar da su Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun a takaice ma'anar ayar Allah ya ce duka waɗannan mutane da suka ta annabawa suka yi ta sabon Allah mun halakar da su akwai wanda muka aika musu iska kamar yadda malam ya muku bayani yanzu akwai wanda tsawa tsawa tsawa aka sauka musu daga sama aka halakar da su akwai wanda aka girgiza ƙasa saboda zunubinsu da laifinsu aka halakar da su Allah bai kasance mai zaluntar su ba amma su da kansu suka zalunci kawukansu ashe sabon Allah zaluntar kai ne kuma in kana saban Allah ka jira hukuncin da Allah zai maka a rayuwarka ainsi comme l'être humain est ce qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala envoie le cri au Zad il a détruit les Samoud il y a ceux-là qui a fait trembler la terre il y a ceux à qui on a envoyé le déluge mais tout ça pourquoi pour nous dire de ne pas commettre le péché. Mais malgré cela, les hommes continuent à commettre le péché Et c'est pour ça que tous les prophètes ont appelé leur peuple à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui n'obéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'injuste. En désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu commets l'injustice. Et quand tu commets l'injustice, attends-toi à quoi Attends-toi à être puni par celui-là qui a interdit l'injustice bayan shi akwai mutanen annabi shu'aibu wanda suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala annabi shu'aibu ya yi musu wa'azi daga cikin laifin da mutanen annabi shu'aibu suke akwai tauye mudu idan an je kasuwa ba a cika kwano duk abin da ake aunawa sai sun tauye kamar yadda mu yanzu yau mutum yana sai da mai ya tauye yana sai da gari ya tauye yana sai da ruwa ya tauye duk abin da ya zo yake sayarwa sai ya rinka algushi a ciki yana tauyewa ya umarce su ya ce da su su cika mudu su daina tauyewa Allah ce wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun daga cikin laifuffuka da daga cikin zunubi da mutane suke aikatawa yau shine akwai tauye mudu mutum ya zo yana tauye abu ba zai cika ba shi idan ya je sayowa zai ce a cika masa amma idan ya zo zai auna sai kuma ya tauye shi ma wannan babban zunubi ne da Allah ya halakar da al'umma guda mutanen annabi shu'aibu saboda wannan rashin imani nasu da zunubi nasu da suke aikatawa na tauye mudu dan haka ku kiyayi tauye mudu a kasuwanninku ku kiyayi tauye mudu a cikin mu'amalolinku ku cika duk abin da Allah ya ce ku cika Allah zai cika muku da alheri Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde il n'a pas cessé d'envoyer les prophètes ce n'est pas parce que les gens sont injustes ce n'est pas parce que les gens désobéissent à Allah qu'on va cesser de prêcher aux gens et ce n'est pas pour cela qu'Allah, à cette époque-là, allait arrêter la prophétie. Non, il a continué, il a envoyé des prophètes. Et parmi ces prophètes qui a prêché à son temps sur quelque chose que les gens commettaient comme péché, ce péché continue de nos jours. C'était quoi Les gens ne remplissaient pas la balance. Les gens trompaient les gens au niveau de la balance à cette époque. Et à notre époque, ça continue avec les bouchers, ça continue dans les marchés, on ne respecte pas ce qu'on vend aux gens ou on ment aux gens ou on trompe les gens dans l'échange ou dans la marchandise ou même bien dans nos engagements. Faisons très attention à ça. Allah détruit le peuple de Shuaib à cause de ce manquement-là. Et lorsque ils ont continué, malgré, vous connaissez tous avec moi ce, cette sourate, Allah dit malheur, malheur, malheur à ceux-là qui se comportent comme les gens de Shoaib se sont comportés, qui ne respectaient pas la balance, qui extorquaient aux gens leurs biens à travers la ruse, à travers le mensonge, à travers le non-respect des engagements, à travers le non-respect de la pesée. Parce qu'il y a même ceux-là qui vendent, par exemple, du riz ou du maïs, ils mettent en haut la bonne qualité, en bas la mauvaise qualité. Tout ça est interdit par l'islam. Celui qui commet ça, qui s'attendent alors à être châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala comme il a châtié les peuples antérieurs à nous annabi na gaba da Allah ya halakar da mutanensa saboda laifi shine annabi Lut alayhi salam ko kun san me laifin mutanen annabi Lut luwadi namiji ya nemi namiji wanda yau wannan zunubin ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma namiji ya kwanta da ɗan uwansa namiji wannan haramun ne wannan laifi ne mutanen annabi ludu Allah ya jarrabe shi da waɗannan mutane ƙazaman mutane wanda ba sa tsoron Allah shi a lokacinsa zina bai ta dame su ba namiji yake zuwa ya kwanta da namiji ya yi musu wa'azi ba su ji ba ya ja musu kunne ba su ji ba ya yi musu faɗa ba su ji ba abinda suke sha'awa kawai namiji ya zo ya kwanta da ɗan uwansa namiji yace da su ya aumi ko mutane na haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid ya ku mutane ga 'ya'yana mata ku aura mana yaya za ku ki auren 'ya'ya mata kuna neman 'ya'ya maza ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni akan ainihin wato baƙina da Allah ya mini mala'iku ne suka zo bakunta jibrilu mika'il israfil suka zo za su halakar da su amma abun mamaki mutanen nan zuwa suka suka ce su mala'ikun ma neman su suke za su kwanta da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mais est-ce que l'être humain, malgré les menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il craint Allah On peut dire non. Parce que, rendez-vous compte, après ce peuple-là, Allah détruit d'autres, comme Sodome et Gomorre, peuple de Lot, mais au temps même du peuple de Lot, ce n'était pas aussi grave l'homosexualité comme de nos jours. Et avec la permission du professeur, tous vous êtes au courant de l'actualité. Hein. Eh, Donc, de l'actualité, tout le monde connaît. Le pape a permis maintenant de bénir à l'Église catholique les couples homosexuels. Et pourtant, à l'autre époque, ils ont été détruits. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorre. Même dans la Bible, cette histoire est connue. Et il y a une bonne frange des évêques, des prêtres qui ont dit non à ça. Ils ne sont pas d'accord avec cette fatwa, oh, si on peut dire comme ça. Donc, plus grave encore, les péchés que les gens ont faits étaient moins graves, mais ce qui est encore venu plus grave, les hommes cherchent à coucher avec les hommes le peuple de Lot, on a trouvé qu'ils commettaient l'homosexualité. Tellement ils ont mis Allah en colère. Quand les anges sont venus, ils ont voulu coucher avec les anges. Allah a fait que les anges ont porté leur terre et l'a retournée. Aliha Safilaha. Ils ont retourné leur terre contre eux. Jusqu'à ce jour, ils sont en train d'être dans la punition divine. On n'a pas eu peur de ça, de ce châtiment. Et de nos jours, même dans notre communauté, on vient commettre cette bêtise, cette saleté. comme il a appelé qu'Allah nous en préserve daga cikin matsalolin suke damu mu akan wannan zunubi mutane sun manta ba san cewa akan wannan laifi Allah ya halakar da al'umma guda al'umma bi kamiliha Allah ya halakar da su saboda neman maza amma yau akwai inda zaka je idan kana neman aiki kafin a baka aikin nan sai an kwanta da kai wani ya ce min ya zo yana neman aiki a wani guri shugaban wurin ya ce zan baka aiki amma sai na kwanta da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matan aure abu na biyu suna kuka cewa mazajen su ba sa neman su a shimfiɗa alhali mazajen suna neman maza ne wata mata ta ce gashi da idanta ta kama mai gidanta yana kwanciya da yaronsa yana kwanciya da yaronsa na kasuwa yaronsa na ofis yana kwanciya da shi amma ita baya sauraron ta sai dauki lokaci mai tsawo yau wannan matsala ta neman maza aboki da aboki sai je kwanta da dan uwansa ana koyi da turawa ana koyi da makiya Allah suna da wata kungiya ana ce da ita ge namiji a wani namiji namiji ya kwanta da namiji to ba shi kadai ba akwai wanda ma mata ke neman mata yan uwansu mace ta kwanta da yar uwarta mace ta kite aure na musulunci ko kuma tana da auren na musulunci amma tana tana kwanciya da yar uwarta mace wannan haramun ne zunubi ne kuma Allah yana fushi da masu aikata wannan aiki et plus grave le la destruction que ce péché apporte par exemple aujourd'hui on a les promotions à cause de l'homosexualité il a donné l'exemple des patrons qui refusent de promouvoir les gens s'ils n'ont pas couché avec eux. Qu'Allah nous en préserve. Et aussi grave, comme chez les autres qui ont permis même les mariages, ici là, les gens ne se marient pas, mais les gens en font. Il a donné un exemple des amis qui couchent ensemble, des hommes qui couchent avec les autres hommes qui ne couchent plus avec leurs femme Une femme même est allée se plaindre parce qu'elle a attrapé son mari en train de se commettre ce péché. Et ça fait souvent six mois, il n'arrive pas à toucher à cette femme et elle allait l'attraper avec un homme, son enfant avec qui il travaille. Il couche avec elle. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est tellement grave. Ce péché-là est une abomination. Éloignons-nous-en. Parce que aussi grave que chez les hommes, c'est aussi grave chez les femmes. Aujourd'hui, les femmes font ce qu'on appelle le lesbianisme des femmes couchent ensemble avec elles. Il est même dit quelque part qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se promènent dans notre communauté. Elles ont les gaudes. Excusez-moi l'expression, c'est une espèce de sexe électro électrique. Elles te louer ça aux femmes dans leur domicile. Elles viennent chez toi comme si c'est une femme qui vend les produits pour les femmes. Et lorsque le mari sort, il sait qu'il a laissé la vendeuse des produits à ce moment-là ta femme lui paye, elle satisfait ta femme avec le gauche électrique, elle s'en va après. Vous voyez la gravité de ce que ça peut entraîner, qu'Allah nous en préserve. yana cikin zunubi da laifi da dan adam ya ta'afi aikatawa Allah ya buga misali da wani mugun bawa mara kirki shine fir'auna duk wani mai aikata laifi ya je ya karanta tarihin fir'auna ya ji waye fir'auna idan dukiya kake gani fir'auna ya fi ka shi mai ƙasa ne ma idan mulki ne ko sarauta fir'auna ya fi ka idan matsayi kake ji a cikin al'umma fir'auna ya fi ka fir'auna saboda laifinsa da zunubinsa cewa yake ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin kuma madaukaki ba wani barnan da fir'auna bai yi ba ya yi kisan kai ya zubar da jini ya azabtar da ɗan adam Et si tu dis que tu ne vas pas écouter la parole divine, si tu dis que tu vas continuer à désobéir, va te renseigner qui était Pharaon. Qui était Pharaon. Pharaon, dans la légende, on dit que c'est quelqu'un qui pouvait facilement faire une cinquantaine d'années, il n'a jamais eu de maux de tête. Il a été super puissant. Il fut un grand roi, il fut un grand chef d'État, il fut un homme puissant financièrement. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Il a tué, il a versé du sang. Il a régné Allah jusqu'à dire que lui, il était plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mais il est où aujourd'hui Au moment où la mer veut le détruire, il ouvre la bouche pour dire que maintenant je crois au Dieu de Moïse. Et Allah lui a dit, c'est fait tard. Et il a dit, nous allons conserver ton corps afin que ça serve de leçon aux gens. Jusqu'au jour dernier. Il est où Si toi tu dis que tu as le cœur dur, rappelle-toi de son histoire. Rappelle-toi de l'histoire des Zad Rappelle-toi de l'histoire des Samoud. Rappelle-toi des peuples antérieurs qui ont été plus mécréants que toi. Il y a ceux qui ont été tellement mécréants que quand on lui parlait du feu de l'enfer, il prenait son doigt, il mettait dans le feu, ça brûle. Il sent mal, il dit si c'est ce feu-là, nous allons supporter. Il est où aujourd'hui gabar magana ta biyu a cikin wannan muhadara ta tamu shine menene illar saban Allah a cikin mutane menene consequence menene matsalolin da mutum zai game da shi idan yana sabawa Allah kaddara yana ganin ya sabawa Allah ba abin da ya same shi ko Allah bai kashe shi ba ko yana ciki ci gaba da rayuwarsa to menene matsalar da ɗan adam zai gamu da shi idan yana sabawa Allah su ne za mu faɗa yanzu Et si tu penses que quand tu commets les péchés, Dieu ne te punit pas, tu ne ressens rien, alors maintenant tu vas savoir. On va t'expliquer les conséquences que l'on subit quand il commet le péché. Parce que très souvent, quand quelqu'un commet le péché, tellement son cœur s'est endurci, quand tu lui fais le rappel, il te dit que ici ce n'est pas la mosquée, va rappeler dans la mosquée. Mais maintenant, on va te faire le rappel, on va te dire les conséquences on va se dire à nous les conséquences. À nous de mettre en application ou pas le reste, on va rencontrer notre Seigneur. abu na farko shine hirmanul ilmi Allah yana tawa, mai shiga saƙonsa ilimun sanin Allah kayi kayi kayi ka gane Allah ba za ka gane shi ba za ka san shi ba har ka mutu haka za ka mutu a cikin bakin ciki san Allah da za ka masa ba babu bala'i da masifan da ya wuce ai taimaka bayanin ga yadda Allah yake amma ka kasa gane ya yake da ka saban Allah yana sa mutum ya mutu bai san Allah ba in ya mutu bai san Allah ba kuma wuta zai shiga alors la première conséquence du péché quand tu commets le péché tu commets tu commets à un moment donné Allah subhanahu wa ta'ala te fait perdre sa connaissance tu perds le réseau ton réseau n'est plus direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, quand vous perdez le réseau, vous appelez le correspondant, vous dites qu'il est injoignable. Il est injoignable. Allah sera injoignable pour toi jusqu'à ce que la mort te trouve. Et lorsque tu ne le connais pas, tu n'es pas joignable à lui. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas te joindre comment à lui Quand il se fera tard, qu'Allah nous en préserve. Donc la première chose, la première conséquence grave, c'est de perdre tout contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. ibnu taymiya ya magana ibnu taymiya babban malami ne a cikin malaman musulunci ya bawa addinin Allah gudunmuwa yana faɗa cewa wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi an nasa 'ala ad-dunubi salbul huda wal ilmin nafi' Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya uquba sakayyar da zai yi wa ɗan adam mai saban Allah Et d'après l'explication d'un grand savant, Ibn Taymiyyah, que vous connaissez, il ajoute, il dit que lorsque vous commettez le péché, autant que le péché s'aggrave, autant vous perdez la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous perdez la guidance, vous perdez la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tu n'es plus guidé, parce que celui qui est guidé, il cherche à connaître Allah. Celui qui n'est plus guidé, il perd la route, il devient ignorant. Et qu'est-ce qu'il va récolter Il va récolter l'ignorance et la conséquence de ses péchés. Imamu Abdahak, Imamu Abdahak, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai magabata shi ma ya yi magana cewa ma min ahadin ta'allama alqur'ana thumma nasiyahu إلا بذنب يحدثه وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ونسيان القرآن من أعظم المصائب أدن قولي أبن إمام الضحاك يجي باب ونمتن ذي حد شيء القرآن in ya zo ya manta wannan alkur'anin babu dalilin da yake sa ya manta qur'ani sai saban Allah abin da yake nufi duk wanda ya rike qur'ani ya haddace in bai daina sabon Allah ba wallahi sai ya manta shi gaba daya daga cikin abin da ya sa kwarai daga cikin abin da ya sa dan adam yake manta qur'ani ya kasa rike shi ko kaga mutum yayi yayi yayi haddace ya gagara tsabar sakon Allah ne sabon Allah ne tabaraka wa ta'ala yace saboda zunubin da yake aikata saboda Allah ya ce, ai duk abin da ya same ku na musiba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannunku ya aikata ne kai da kanka ka jawo wa kanka bala'i yace babu wata masifa a duniya da ta wuce mutum ya manta alkur'ani ko ya kasa rike alkur'ani Et l'autre conséquence, on l'a expliqué d'un grand enseignant ou un savant de Haq qui dit que si, par exemple, tu as mémorisé le Coran, même si ce n'est pas entier, même une partie. Et ça, nous tous, nous pouvons faire cette expérience. Vous avez maîtrisé peut-être jusqu'à Juzul Amma ou Tabaraka ou plus. Lorsque vous commettez le péché, Juzul Amma même vous dépasse. Au fur et à mesure que vous commettez le péché, le Coran s'en va. Ça se détache de vous. Vous vous retrouvez que de la fatia à, à, à l'amtara devient même difficile, même dans la prière. Si vous voyez que vous faites face à ce genre de situation, revoyez votre péché que vous commettez. Parce que c'est lui qui mémorise le Coran, il ne part pas. Sauf s'il le délaisse. Et l'élément fondamental qui fait partie le Coran, c'est le péché. Que ce soit le Coran entier que vous avez mémorisé, ou bien que ce soit une partie, où vous retrouvez que entre, faites l'expérience ce soir, rentrons chez nous chacun, se met sur son lit ou bien assis, tu cherches à lire de la Fatia jusqu'à Amma. Tu vas voir que une bonne partie va t'échapper. Et qu'est-ce qui te fait ça Réviser ce que tu commets. Parce que l'objectif de notre prêche, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. On ne parle pas à l'autre. La prédication, c'est parle à lui-même, à moi, à vous, pour qu'on change. Si nous commettons des péchés, c'est pour que ça nous serve que nous ne devons plus commettre ces péchés, on doit délaisser pour que notre relation, notre connexion se rétablisse véritablement avec notre Seigneur est Allah. abu da sabon Allah yake tabbatarwa yake eh, wato yake gadarwa bawa shine a haramta masa arziki idan an ce haramta arziki ba wai mutun ya zama bai da kudi ba ai arne ma kafiri ma za ga yana da kudi ai da haka idan an ce arziki ana nufin albarka arziki mai amfani da zai amfane shi a duniyarsa da lahirarsa duk mai sabon Allah Allah yana cire Allah yana zare albarka a cikin dukiyarsa a cikin kudinsa ga baki ɗaya za ka ga yana da kudi amma talaka ne ka san me yasa iya ta neman kuɗi amma baya iya taimakon wani to ai bai da bambanci da talaka dama mai amfanin kuɗi in ka samu ka kashe yana da kuɗi amma ba zai iya neman lahira da kuɗinsa ba ya zama talaka wannan arzikin nasa ko kuɗin da ya tara ya zama bai da amfani a gare shi ya zama shine bawan arzikin ya yi ta wahala yana neman Allah yana bashi yana bashi daga baya sai zo ya mutu a banza ou la deuxième chose que le péché empêche c'est la richesse mais il dit que quand il parle de la richesse on peut dire que même le mécréant est riche il a dit on est d'accord même celui qui fait le péché est riche mais ce que Allah enlève ce n'est pas cette richesse la baraka qui est dans la richesse et lorsque vous avez la richesse qui n'a pas de baraka vous ne faites plus du bien vous n'aidez pas les autres. Vous êtes même un pauvre à, la longue, si on peut voir comme ça, parce que qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui est dans l'aisance, c'est celui qui est appelé à donner, à dépenser. On voit ça sur son corps, on voit ça dans ce qu'il fait, cet argent à la baraka. Mais du moment où tu vois qu'avec son argent, il n'arrive pas à aider, avec son argent, il n'arrive pas à faire les biens, avec son argent, il ne peut pas aider la religion d'Allah, c'est que la baraka est partie. Et il y a les gens allez voir qui commettent les péchés et Allah les ajoute. Il y a même dans notre communauté, vous voyez quelqu'un matin, midi, soit il fait la zina, il fait ceci, mais Allah lui ouvre les portes. Cet argent-là ne le, servira à rien parce que ça n'aura pas de baraka. Et après sa mort, cet argent va être détruit et lui-même, là-bas, il va aller subir des conséquences de son péché. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala mu itta albarka Ai a andi albarka kam allah mu itta albarka idan e nden e nder risque maɗa aɗon waɗa zina a gujjo adon aɗon huwata kugal allah yiɗa allah itta albarka idan e rizku ma maɗa a mofta a mofta a mofta a maya. يم بيت فامتا رزقو مادا أنياما أفامتا أدون ياما أواواتا أوكي ألا أواواتا أحوى إي إلا رزقو مادا J'espère qu'on a bien compris. Euh, je veux profiter avec la permission du professeur parce que quand il parle des biens la richesse que Dieu vous donne, on voit, c'est palpable à la baraka, c'est ce que nous voyons avec Sa Majesté Barry Cette mosquée-là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Ça, ça veut dire que les biens ont la baraka. Tout le monde, personne ne vous parlera de lui en mal parce que c'est un homme généreux. Tout ça, ça provient de la générosité parce qu'il y a la baraka dans sa richesse. C'est ce genre d'exemple que nous voulons et c'est pour ça qu'il attire notre attention que si nous voulons ce genre de richesse qui a la baraka et que ça continue ainsi, il faut qu'on se loigne du péché. Parce que quand tu fais le péché, tu vas entasser, entasser à travers la corruption, à travers la vente de la drogue, à travers, à travers, à travers. C'est là plein mais après ça ne te servira à rien dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Et tu te, retrouveras comme, euh, tu te retrouveras comme une expression qui dit élan, élan. Daga cikin illoli da sabon Allah yake jawo dan Adam shine hirmanu ta'a. Abinda ake nufi Allah zai haramta maka ba za ka iya mai biyayya ba ba za ka iya biyan annabi ba. Wannan sabon Allah, wannan zinan, wannan ƙaryan, feure wannan eh, eh, zina da cin riba da mu'amala da duk abin da Allah ya haramta da ƙin yin sallah a kan lokaci ko da ƙin yin sallah sai Allah ya haramta maka ai ta wa'azi ai ta wa'azi ba za ka ji wa'azi ba zuciyarka ba za ta yi taushi ba ba za ka iya bin Allah ba sai ka rinka ganin masu yin bautar Allah kana ganin kamar wasu mala'iku ne kai kayi kayi ba za ka iya ba wani yake tambayan abokinsa ya ce naga kana yawan yin azumin nafila litinin alhamis nayi nayi nayi na gagara ba na iya yi wani ya dada tambayan abokinsa ya ce naga kullum kana zuwa sallan asubayi ya ce nayi nayi nayi ba na iya tashi asubayi ba na iya yin sallah akan lokaci le péché nous éloigne de l'obéissance, fidèle musulman. Il a donné deux exemples. Quand quelqu'un commet le péché, il ne veut même pas écouter la prêche. Il ne veut même pas se rapprocher de là où on fait la prêche parce que son cœur, le péché est tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, c'est un point noir qui vient se poser sur ton cœur. Un deuxième point noir, un troisième point noir, jusqu'à ce que le cœur se noircit et s'endurcit. Ça ne veut plus écouter la parole divine. Et même au-delà de ça, ça t'éloigne de la communauté. Tu vois les gens qui partent à la mosquée, les gens qui font les actes d'adoration, comme des gens assez spéciaux, comme si c'est un miracle, comme un ami qui a demandé à son ami, je te vois gêné tous les lundis et jeudi Comment est-ce que tu fais ça Moi, j'ai fait tous les efforts possibles, je n'arrive pas à faire parce qu'il est dans le péché. L'autre aussi demande, il dit que je te vois euh, tout le temps, tu es en train d'aller à la prière de soupe Subhanallah, la prière de soupe Quelqu'un n'arrive pas à aller à la prière de pied Si ce n'est pas le péché, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller à la prière de pied Une prière qu'on a dit que quand tu viens commettre cette prière, dès que tu rentres, la journée est garantie pour toi. Et tu dors, tu dis que tu n'arrives pas à faire copier celui avec qui tu es. Si ce n'est pas le péché, qu'est-ce qui peut t'éloigner de ça musamman a wannan garin namu na duwala musulmi duk inda yake musulmi ya kamata a ga alamar musulunci a tattare da shi amma yau yaranmu su ne suke shan giya yaranmu su ne suke caca yaranmu su ne suke bin mata zina sata ɗabi'u marasa kyau yanzu yau 24 ne ga watan disamba yau za ka sha mamakin 'ya'yan musulmin da za su zo su da kansu za su je su sha giya su kiɗa su rawa su kwana ba su yi bacci ba suna yin abin da allah bai yadda su yi ba kuma idan an zo ranar juma'a su zo masallaci da su za a yi sallar juma'a ina iyayensu to kaji har da iyayen ma tafi sabon Allah shi yasa za mu yi ta zama wahala mu yi ta nema mu yi ta nema mu yi ta nema ba mu samu ba duk wani abin da ka sani na barna yaran mu suna yi in sata ne akwai su a gaba idan luwaɗi neman maza ne akwai su a gaba idan zina ne akwai su a gaba idan zaman banza ba aikin yi akwai su a gaba ga yaro ɗan musulmi babu alamar musulunci a tattare da shi ga ƙin yin sallah mutum ana kiran sallah a masallaci ba zai je yi sallah ba mafi musiba shine mutum ya je yi celebrating irin wannan rana kana musulmi haramun haramun haramun alaika kuma wallahi Allah bai zai barka ba sai ya kama ka eh, le professeur dit qu'il faut qu'on se dise la vérité parce que on a pris ce thème pas au hasard l'un des plus grands péchés ou l'un des plus grands moments où l'humanité désobéit à Allah wa ta'ala, c'est cette nuit, qu'on appelle la nuit de la nativité. Et c'est un jour, le 24, où beaucoup de nos jeunes participent à ça. Il a dit, disons-nous la vérité. Pourquoi ce sont nos jeunes enfants aujourd'hui qui sont les voleurs Pourquoi ce sont eux qui vendent la drogue Pourquoi ce sont eux qui consomment Pourquoi ce sont eux qui font l'assistan Pourquoi ils contribuent même en ce jour, un grand jour de péché Ils contribuent à ce péché. Et quelqu'un a ajouté, il a dit même les parents ne sont pas en dehors de ça. Ça veut dire qu'il y a les parents qui les encouragent. Il y a les parents qui amènent les sapins de Noël et mettent chez eux. Il y a des parents qui achètent des habits spéciaux pour cette soirée. Il y a des enfants qui laissent leurs enfants aller fêter. Qu'Allah nous en préserve. Le musulman, c'est celui-là que dans son attitude, dans son comportement, dans sa manière de s'habiller, tout ce qu'il fait est musulman. Donc les fêtes auxquelles il doit assister doivent être les fêtes musulmanes. La guidance vient d'Allah, mais on ne cessera jamais de rappeler parce que le rappel sert à tout le monde. idan ka zo ɓangaren mata su ma ba a basu a baya ba zina zina zinar yara 'yan mata ta kai yau ba ka da garanti ba ka da tabbas idan za ka aure yarinya budurwa shin tabbas wani bai taɓa kwanciya da ita ba idan ka ga yaran musulmi inda suke saka sutura kai ka ce ba gidan musulunci aka haife su ba suna shan kwaya suna shan taba suna zina suna barna ba abin da ya dame su abin da yafi komai muni har da matan aure fa aina tazhabun ina za ku je to ina musuluncin in dai mutum bai daina wannan ba to aina islam Il dit, les femmes ne sont pas en dehors, surtout nos jeunes filles. Et lui-même, il a vécu un événement. L'autre jour, il venait à la prière de vendredi. Vous savez quoi Là où il passait, justement, il a vu des jeunes filles musulmanes à l'heure de la prière de moi en train de fumer la chicha. La prière du vendredi, il a vu en direct. Il nous a rappelé sans prendre segment. Donc les jeunes filles ne sont pas en arrière. Et c'est quoi C'est la conséquence de l'éducation. Dans l'habillement, on laisse nos filles sortir dénudées. On les encourage même à être ça. Pourquoi Ils ne vont pas être dans la désobéissance Pourquoi elles ne vont pas être dans la désobéissance Et il a dit difficilement aujourd'hui qu'on trouvait les jeunes filles vierges au mariage. Mais je voulais aussi lui dire que même les jeunes garçons là ne sont pas vierges. Parce qu'on voit souvent la faute. Il y a des gens par erreur ou par bêtise même, je peux dire, parce qu'il a marié une fille qui n'est pas vierge, il dit qu'il va divorcer avec la fille parce qu'il a trouvé qu'elle n'était pas. Toi, tu es vierge si toi tu commets, ça veut dire qu'elle va commettre. Comme tu fais, c'est comme ça qu'on te fera. Donc, vraiment, basons-nous sur l'éducation. Nous sommes des musulmans et c'est pour ça qu'il a clôturé par ce verset. Il a dit Ce C'est pas lui qui a dit, c'est le maître de l'univers qui nous demande où est-ce que nous allons. Et quand il parle comme ça, il parle aux gens qui réfléchissent, pas aux animaux. Parce que l'animal, si tu dis ou il ne va rien entendre. Mais quand on te dit toi, où vas-tu Tu vas dire que non, je pas à la mosquée. Où vas-tu Je vais au marché. Où allons-nous alors Non, Allah, nous, on veut aller au paradis. Ah oui, vous voulez aller au paradis, ne désobéissez pas. daga ƙarshe ko in ce na kusa da ƙarshe daga cikin masifa da bala'i da zunubi yake jawowa akwai rabuwar kai da sabani rabuwar kai da sabani ku ji da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran annabi muhammadu yake hannun shi sallallahu alaihi wa sallam ma tawaddasnani mutum biyu ba su taɓa yin soyayya suka ƙaunaci juna ba ka ga mutum biyu kansu ya haɗu sai kuma daga baya fa furrika nahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma duk lokacin da ka ga mutum biyu kansu ya haɗu suna zaman suna mutunci amini da amini daga baya sai ka ga sun rabu to zunubi ne ɗaya daga cikinsu ya aikata duk lokacin da al'ummar musulmi suke tare a gari guda suke zaune suna da musulunci guda allah ɗaya ka'aba ɗaya makka ɗaya umra ɗaya hajji ɗaya Il dit, parmi les conséquences du péché, il y a aussi la divergence et la division. La divergence et la division. Les gens divergent et ils se divisent. Pourquoi C'est celui-là le porte-parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit de sa bouche. Il a dit, lorsque tu vois deux personnes qui s'entendent, qui s'aiment, qui font tout ensemble, Si se divisent, ça veut dire l'un d'eux a commis un péché et ça a amené la division. On peut généraliser. Si la communauté musulmane, elle est une communauté unique, elle a une seule direction, une seule Qibla, elle est une Ummah Wahida, elle est une, communauté unie qui s'entend. Et tu vois que cette communauté se diverge et elle se divise. Il dit, ça veut dire qu'il y a les fidèles de cette communauté-là ou de ce groupe-là qui commettent le péché. Et c'est ce péché qui les diverge. Allah nous en préserve. kullum malamai abin suke ta yi kenan amma shaidan ya hana mu hatta malaman ya ƙi ba su haɗa kai talakawan sun ƙi su haɗa kai attajiran sun ƙi su haɗa kai kuma muna zaune da wurin da ya kamata a ce mu yi kyakkyawan ɗabi'a wanda ba musulmi ba ya gane ina tabbatar muku mutanen duwala ina tabbatar muku ya ku mutanen wannan masallaci na alhuda idan kun bi dokar Allah kuka daidaita da junanku kuka girmama junanku kuka kaunaci junanku kuka haɗa kawo kanku akan la ilaha illallah kuka yi haƙuri kuka yi hakuri kuka yi hakuri da junanku za ku samu ɗaukaka babu bambanci tsakanin dogo da gajere babu bambanci tsakanin bafulatani da baushe. babu bambanci tsakanin bature da bateri babu bambanci tsakanin kowace kabila duk musulmi musulmi ne gaba ɗaya wannan shine abin da Allah ya sauka mana daga sama amma matukar ni ni yanzu ni ba fulatani ne min min fullo mi don walwa fulful da set da set da to mi yi min mi fullo mu ɗuri ko moye ma to na saba wa Allah ko kai ba haushe ne a hausa jo a yi a ɓuri ko moye ma A ayiɗa fullo a ɓangeɗa fullo a ɓangata fullo a joɗata e fullo a wolwata e fullo o a hausajo, o a fullo a ɓangata hausajo, a wolwata e hausajo, a joɗata e hausajo. a yi a ɓuri hausajo, a ɓuri a ɓuri a ɓuri a ɓuri o o allahu tabaraka wa ta'ala ya qulu inna akramakum inda allahi atqakum wannan shi ke samu na saɓani da ƙabilanci Alors, en termes d'exhortation, les ulémas, les savants, les prédicateurs nous ont toujours appelés à l'union, à la fraternité, à la solidarité. Et l'islam n'appelle pas au tribalisme. Il a dit n'est pas de nôtres, n'est pas des nôtres, n'est pas des nôtres, celui qui appelle au chauvinisme, celui qui appelle au tribalisme, celui qui appelle à un peuple au-dessus de l'autre peuple. Nous sommes tous issus d'une seule personne, Adam. Le peuple n'est pas au-dessus de l'autre et l'autre, qui peut être un blanc, un grand, un petit, n'est pas au-dessus d'un autre, sauf avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les savants nous exhortent toujours, et lui, il exhorte les fidèles de cette mosquée à s'entraîner, à être patient vis-à-vis des autres, à se supporter à renforcer votre fraternité et à éviter l'expression tribaliste, à éviter que moi je suis au-dessus de l'autre, à faire de vous ensemble, comme la foi musulmane demande, une seule communauté, comme un seul corps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a un mal qui touche le pied, c'est tout le corps qui ressent la fièvre. muna ba wa mutane wannan masallaci haƙuri mun so mu daɗe tare da ku mu yi wa'azi sosai to amma an samu matsala ba mu da lokaci muna da abubuwa da yawa so ku yi haƙuri da abin da Allah ya baku daman zumunci da yan uwantaka musulunci ya kawo ina rufewa da abu guda biyu godiya ta musamman da gaisuwa da fatan alkhairi ga shi mai wannan masallaci wanda ake ce da shi alhaji bari wanda shi ya karbi bakuntan mu ban taba ganin ba ban taba haduwa da shi ba mun je ziyara gidan sarkin ko shugaban jagoran sarakuna na nan duwala sai na gan shi ma yana cikin jagorori na al'umma yana kusa da sarki muka gaisa da shi ya ce don Allah yana so mu kawo ziyara wa'azin da muke yi mu kawo ziyara wannan masallaci na alhuda an bani labarin sa irin kokarin da yake wa addinin musulunci shi kadai Allah ubangiji muke roƙo ya ƙara masa arziki Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya rufa masa asiri Allah ya yi riko da hannunsa na yi mamaki da na ga masallacin nan a garin nan hawa ɗaya biyu uku na yi mamaki kwarai ka share mana hawaye Allah ya share maka ka yi wa musulunci aiki Allah ya maka duk abin da yake da shi na arziki Allah sa masa albarka muna masa addu'a ya girmama mu ya karɓi bakuncin mu kuma ya ba mu dawama mu zo mu yi wa'azi a fassara abinda musulunci ya faɗa a cikin masallacinsa wallahi wannan ba karamin yan uwantaka bane kuma wannan shine haɗin kai din ai wannan shine kaunar juna da haka muna masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya sa ya ƙara wannan ya ta ƙarawa ya ta ƙarawa ya ta ƙarawa har ma ya je Najeriya ma ya gina musu masallaci samari matasa na wannan unguwa Allah ya muku ni'ima ku tsaya ku ci moriyan wannan masallaci naku ne ku zo ku yi sallah ku yi karatun Qur'ani ku saurari wa'azi ku more wa masallacin nan yadda gashi nan a gina kamar a madina wallahi da haka ku ci gaba da yi Allah ya saka muku ga wani yaro matashi na liman ne daga cikin limamai ku yi karatu ku raya masallacin ku Allah ne ya baku wani wurin suna sallah akan kwata ba su da masallaci kai kuma gashi Allah ya baka ginan ne amma baka zuwa da haka da ƙarshe ne muna addu'a Allah ubangiji ya sa albarka a wannan wuri wannan masjidul huda Allah ya sa albarka a ciki kuma Allah ya gina masa gida a gidan aljanna alhaji bari kamar yadda ka gina wannan masallaci Allah Allah Allah Allah Allah mu ya gina maka gida a gidan aljanna manzo Allah ya faɗa cewa duk wanda ya gina wa Allah gida a duniya Allah zai gina masa a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullah pour finir selon un hein, majesté. C'est à votre honneur. Et c'est pour ça que quand tu cherches les honneurs, Allah te donne. Celui qui est humble, Allah l'élève. La première chose, il demande aux fidèles de la mosquée de prendre le mal en patience et de nous excuser parce que le temps est court. Il a beaucoup de programmes. D'ici, quand nous allons sortir, nous allons aller à la télé, à Oussa 7, et à la prédication, à la chefferie, à Oussa et demain il va continuer sur Yaoundé. Mais il aurait souhaité que le temps soit plus élargi. La deuxième chose, il a dit, il a été impressionné par cette mosquée. Et je suis témoin. Quand nous sommes descendus de la voiture pour visiter la mosquée, il a demandé, c'est ça la mosquée J'ai dit oui. Il a encore demandé à deux reprises. Il a regardé de l'extérieur, il était impressionné. Et il le dit qu'il a été impressionné. Nous voici dans cette mosquée comme si nous étions à Médine. Et pour cette raison, il a prié Allah subhanahu wa ta'ala, majesté, qu'Allah augmente votre richesse, qu'Allah vous protège ainsi que votre progéniture. Et il a dit que ce que vous avez fait, c'est l'expression de la fraternité islamique. Il ne vous connaissait pas, on est arrivé à la visite avec le président du conseil, il vous a vu là-bas. Et du coup, vous avez sollicité qu'on vienne prêcher ici. Et il est venu, il a répondu à ça. Et malgré qu'il s'exprime dans une autre langue, vous avez insisté et on a traduit parce que quoi Vous voulez que l'islam avance. Et il a dit que comme vous avez souhaité comme ça, il faut que ça aille de l'avant jusqu'à même au Nigeria, vous partez construire les mosquées. Et il a prié Allah, il a reprié Allah, il a reprié encore qu'Allah vous construise une maison au paradis. Et il vous fait la bonne annonce. Car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, celui-là qui ne parle pas par passion. Il a dit que m'a dit dans toute personne qui construit à Allah une mosquée, Allah le construira aussi la maison au paradis. Qu'Allah vous en construise au paradis. Non pas vous seul, qu'Allah nous en construise nous tous. Parce que celui qui a apporté euh, le parpaing, celui qui a apporté son conseil, celui qui a mis 100 francs, il est aussi parmi. Donc nous tous, qu'Allah nous euh, euh, construise une maison au paradis. Et pour finir, il a fait une exhortation au Shabbat aux jeunes. Il a dit, voilà l'occasion vous est donnée. Il y a des endroits où on prie dehors, mais voilà une belle mosquée. Voilà quelqu'un qui est disposé à aider la religion. Montrez-lui en retour que vous aimez cette religion. Et Allah va faire à ce que vous soyez des jeunes qui, sont <coughs> qui, qui, qui seront respectés. Des jeunes qui profitent de leur jeunesse au service d'Allah seront parmi ceux-là qui seront sous l'ombre d'Allah le jour il n'y a d'ombre que l'ombre d'Allah, donc au paradis qu'Allah nous mette tous ensemble au paradis, qu'Allah nous pardonne nos péchés, ce que nous avons dit de bien, qu'Allah l'agrée, ce que nous avons dit de mal, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux-là qui écoutent l'exhortation et qui mettent cela en application, et qu'Allah nous ramène en paix chacun chez lui, et qu'Allah donne la paix dans notre pays, et qu'Allah préserve nos jeunes en ce jour où les gens commettent beaucoup de péchés. Subhanakallah. Donc, l'imam de la mosquée, l'imam, le professeur vous appelle. Il dit, c'est vous qui clôturez avec la doigt. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرمس الله سبحانه وتعالى wa ta'ala par سبحانه وتعالى d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a réunis dans cette mosquée Al-Huda qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit comme ça encore dans son paradis al al a'la yawm al-qiyamah par sa miséricorde innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh on remercie inch'Allah le cheikh qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de persévérer dans cette religion après ça c'est frères l'islam on remercie aussi les responsables de la mosquée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, ils ont construit cette mosquée avec leurs biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala les construit, comme il a dit tout à l'heure, une maison dans le paradis. Hein, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, c'est comme ça que le prophète nous a enseigné. Et tous les fidèles qui sont là encore, des ulama que je connais très bien, les responsables des mosquées, les différents eh, imams qui sont avec nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait votre pas, que vous allez traverser avec le sirat yawm al-qiyamah. qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tout ce que l'homme musulman en a besoin dans ce bas monde pour se satisfaire de ce, dans la religion et aussi dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala au qiyamah qu'Allah nous augmente l'iman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى استر أوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به بارك الصالحين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم إن كان منهم مسنا فزد إحسانه وإن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وسل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين